L'actualité de la semaine a surtout été marquée par la lutte traditionnelle. Du 25 décembre 2017 au 3 janvier dernier s'est tenue à Zender la 39e édition du sabre national. C'est le lutteur de la région de Zender, Tassi qui a remporté le sabre. Il succède à Yaya Kaka de Tawa avec lequel il a disputé le combat final mercredi à Zender. Que peut-on retenir sur la technicité des finalistes de cette 39e édition Réponse à avec euh, Maître Marie-Malam Daouda. Les deux finalistes, en tout cas, sont de très bons techniciens et quand on voit leur morphologie, des techniques presque identiques de lutte. Ramassement de jambes avec un bras. Lui, Tassiou, il fait des techniques de jambes qu'on appelle généralement en Aouda Goyonkura. Lui, de l'autre côté, lui aussi, il fait des fauchages qu'on appelle le grand fauchage. Nous, on appelle ça Ouchigari. Eh bien, les deux sont en condition physique. Autre actualité de la semaine, c'est l'application dès le 2 janvier 2018 de la la loi des finances 2018 euh, qui a été votée le 26 novembre 2017 par le Parlement et promulguée le 28 novembre dernier par le président de la République. Les nouveaux tarifs s'observent notamment dans les douanes nigériennes, dans les secteurs des transports, les télécommunications et plus encore, selon l'acteur de la société civile Moussa Changari. C'est clair que les gens vont en souffrir. D'ores et déjà, certaines augmentations, etc., commencent à se voir, mais ça va continuer. Après, il y a les tarifs d'électricité et avec l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, on aura aussi certainement à payer la taxe d'habitation. Ça va apparaître sur euh, les nouvelles factures qui vont venir. Vous avez tous les autres produits, les produits alimentaires, etc. Pratiquement tous les produits. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'expiration du délai pour les combattants nigériens de Boko Haram de se repentir. Le délai accordé initialement par les autorités nigériennes était jusqu'au 31 décembre 2017. Hier, selon une dépêche de l'agence France-Presse AFP, le délai de repentance est prolongé de manière indéterminée. En cette fin de semaine, deux accidents de la route ont occasionné la mort de plusieurs personnes. Le premier accident est survenu jeudi entre le village de Bataille, région de Zender, et Adarbisnet, région d'Agadez, faisant quatre morts et 12 blessés. Et le second a eu lieu ce matin à 7 km de Bouza, dans la région de Tawa, entraînant la mort de six personnes et 13 blessés. Le véhicule de marchandises aurait quitté Sabombirni, Nigeria, pour se rendre au marché hebdomadaire de Wurno à Madawa